le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook euh, Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème entrepreneuriat des jeunes au Niger, défis, difficultés et avancées. Au Niger, les jeunes de 15 à 35 ans représentent aujourd'hui plus du tiers de la population. Cette frange constitue un potentiel important de croissance économique. Le problème, c'est que les jeunes n'ont toujours pas accès au crédit bancaire pour financer leurs projets. La question de leur insertion économique se pose donc avec acuité selon une étude faite par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre les défis de l'entrepreneuriat des jeunes dans un pays pauvre comme le Niger, les difficultés et les avancées enregistrées dans le domaine. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Seydou Souley Mahamadou, président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Seydou Souley Mahamadou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Kane Kadaure Habibou, président d'honneur de association nigérienne des jeunes entrepreneurs, Kane Habibou. Bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Rufai Kouabou, directeur général du centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, SIPMEN. Rufai Kouabou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Au micro, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, on va d'abord suivre euh, Sadou Seydou, ministre du Commerce et de la Promotion euh, du secteur privé. L'État a créé toutes les conditions pour que les entreprises puissent être créées dans le meilleur délai. Tout ce qui a été fait dans le cadre de Douis ce n'est pas seulement d'attirer les investisseurs étrangers, c'est aussi pour permettre aux Nigériens de créer leur entreprise. Les conditions de créer sont là, les conditions de survie dépendent de l'entrepreneur. Il faut que nos entrepreneurs sachent que créer une entreprise, ce n'est pas uniquement pour euh, un laps de temps, mais c'est pour sa vie, c'est pour une succession après. Donc il faut savoir gérer cette entreprise. L'État a déjà fait, cette année par exemple, par le biais de la Chambre de commerce qui a été financée par la Banque mondiale, il y a eu le concours de plan des affaires. Tout ça, c'est dans le cadre de soutien. 102 lauréats ont été primés avec 655 millions. Ça, c'est ce que l'État peut faire. Mais quant à la bonne gestion ou la recherche de marché pour se maintenir, ça, ça dépend de l'entrepreneur. Seydou Souley Mohamadou, vous venez là de suivre le ministre Sadou Seydou, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Quel commentaire Merci beaucoup, Mokhtar. Et je vais quand même situer aussi pour nos auditeurs le contexte de l'intervention du ministre. Il vous souviendra qu'au euh, cours du mois d'avril, le 15 avril exactement, il y a eu une rencontre entre euh, le gouvernement et les acteurs socioprofessionnels, une rencontre qui visait euh, autour du bilan de 8 ans de, de la mise en œuvre du programme La Renaissance et à cette occasion, il y a eu plusieurs questions, dont une question que j'ai posée personnellement en tant que président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, où j'ai demandé aux membres du gouvernement de nous expliquer quelles sont les conditions qui sont créées pour s'assurer de la survie de nos entreprises créées. Parce que la réalité, c'est que ces dernières années, il y a eu une réforme autour de la création d'entreprises qui a beaucoup réussi. Beaucoup de Nigériens créent des entreprises. Ça, c'est un fait. Nous sommes passés d'environ 1000 à 1500 entreprises créées par un an à pratiquement aujourd'hui 5000 entreprises créées par an, formellement. Mais lorsque ces entreprises sont créées, aujourd'hui, 5 ans après ces réformes, nous n'avons pas une idée exacte de que deviennent ces entreprises qui ont été créées sur les papiers. Est-ce qu'elles arrivent tous à vivre, à réussir On ne sait pas. Donc voilà la question que je posais et la réponse du ministre, euh, je pense qu'il a apporté euh, des éléments qui montrent ce que le gouvernement fait. Ça, c'est une réalité. Nous connaissons ce que le gouvernement fait. Nous avons des avancées sont les avancées il y a des avancées visibles, mais la réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. Pour moi, je pense que la réponse n'est pas satisfaisante parce que la survie d'une entreprise ne dépend pas que de l'entrepreneur. Malheureusement, si ça ne dépendait que de l'entrepreneur, il n'y aura jamais d'entreprise qui va échouer. La survie d'une entreprise dépend aussi de l'environnement dans lequel elle se trouve. L'environnement des affaires, la pratique des affaires, ça dépend des mesures, des conditions qui sont créées pour faciliter le développement de ces entreprises. Alors, nous, en tant qu'acteurs du secteur privé, je pense que c'est que nous tous, euh, c'est sur quoi nous sommes la majorité d'accord, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts, ça c'est indéniable. Mais ces efforts-là doivent encore être augmentés. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur certains aspects de la vie des entreprises, nous avons réussi. Il est facile de créer une entreprise, il est facile euh, de faire certaines démarches administratives, ainsi de suite. Mais, vous l'avez dit, l'accès au financement est un casse-tête. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entreprises ne peuvent pas se faire financer. L'accès même aux compétences humaines n'est pas encore quelque chose de très facile. L'accès au marché. Aujourd'hui, combien d'entreprises des jeunes entreprises nigériennes peuvent réellement accéder au marché public, par exemple. C'est un casse-tête. La fiscalité, beaucoup de jeunes entreprises, beaucoup d'entreprises ont peur des impôts aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai qu'il y, a des efforts qui sont faits pour améliorer la qualité du dialogue fiscal, mais même si le dialogue fiscal est amélioré, si la fiscalité elle-même n'est pas adaptée à l'entreprise, il y a un problème. Vous voyez Donc nous, en posant cette question, moi j'aimerais qu'on voit deux préoccupations. C'est important que le gouvernement et tous les acteurs se demandent quand nous créons des entreprises après leur création, qu'est-ce qu'elles deviennent réellement. Ça, c'est important. C'est un travail d'investigation qui peut être fait pour, comprendre la situation de nos entreprises. Et deuxièmement, il est important de savoir quelles sont les nouvelles mesures sur lesquelles il faut travailler pour continuer à, inciter. à inciter les jeunes à créer des entreprises, mais à les développer pour aller plus loin. Parce que ce que nous avons oublié de dire, il y a un pari que le président de la République lui-même a lancé il dit que d'ici 2021, il veut que le Niger soit parmi les 50 économies les plus performantes en Afrique, du moins au monde et parmi les 10 économies les plus performantes en Afrique. Ça, c'est par rapport au doing business. Aujourd'hui, nous sommes 143e. 2021, c'est dans deux ans. Ça veut dire que si nous voulons vraiment être parmi les 10 les plus performants, il faut encore accélérer la cadence. Donc en fait, ma question était une invite, une invitation à voir comment on va accélérer la cadence. Et cela est possible parce que nous avons beaucoup de possibilités de réforme dans notre pays. Kanekadaoura Habibou, votre commentaire après avoir écouté euh, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur euh, privé. Merci Mokhtar. Je pense que le président de la NGE, Seydou Souley, il a tout dit par rapport à ce commentaire. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport euh, à ce que deviennent les entreprises euh, créées d'accord, quelques années après. Nous le connaissons parce que <laughs> nous sommes praticiens et nous avons des, des, statistiques par rapport à cela. Euh, chaque année, comme il a dit, il y a un minimum de 4000 à 5000 entreprises qui sont créées. Mais quand on se retrouve devant la réalité quelques années après, difficile de trouver plus de 100 à 200 entreprises qui sont réellement vivantes. Ce qui veut dire qu'il y a un réel problème de pénétration de l'environnement des affaires, de développement et de la croissance des entreprises. Et cela est dû à quoi le ministre, je pense qu'il s'est apaisanti euh, essentiellement sur le cadre juridique et réglementaire que l'État a obligation de créer et qu'il a créé pour euh, l'environnement des affaires au Niger. Il faudrait le reconnaître. C'est vrai que pas mal de réformes ont été engagées et je pense que le Niger a été félicité à travers euh, son classement dans le doing business en termes de réformes, d'accord, pour la création des entreprises. Mais ça ne se limite pas seulement à la création de l'entreprise. C'est très facile aujourd'hui de créer une entreprise avec la maison de l'entreprise, avec toutes ces institutions-là qui sont créées. Mais si il faut réellement aider ces jeunes entrepreneurs-là, c'est comment leur permettre de pouvoir tenir face aux hostilités de l'environnement, face aux difficultés de pénétration de l'environnement des entreprises, comme je l'ai dit. Et cela, je pense que d'abord, euh, il faudrait encadrer ces jeunes-là. Le problème d'encadrement, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, euh, au sein de notre association-là, ANGE, Association e, nigérienne des jeunes entrepreneurs, on s'était rendu compte que notre cheval de bataille doit être la formation. Former les jeunes, les outiller, leur permettre de comprendre d'abord comment faire face aux difficultés de gestion d'une entreprise. Parce que tant que les jeunes ne sont pas outillés, d'accord, face à cela, c'est très difficile de devenir même un auto-entrepreneur, voire devenir un véritable entrepreneur qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, de la richesse pour lui et pour son pays. J'aimerais dire à travers cela que l'État doit faire, d'accord, plus de fort en venant vers ces jeunes-là, en termes de sensibilisation, en termes euh, de défense de leurs intérêts au niveau des institutions financières. Il y a également le problème euh, de l'éducation financière qui se pose. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui créent des, entreprises, si vous les approchez ou bien ils vous approchent pour conseil, la première des choses que vous comprenez, c'est-à-dire ils n'arrivent même pas à comprendre exactement, d'accord, quels sont les outils, quelles sont les institutions qui peuvent réellement les aider, qui peuvent réellement euh, euh, leur permettre d'avancer sensiblement dans, le développement de leur entreprise. Donc l'éducation financière, c'est très important. Et je pense que tout ça passe par la formation des jeunes entrepreneurs. Il y a également la question des fonds de garantie. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des banques que nous avons sur place, ce sont des banques commerciales. Je pense que ces banques elles-mêmes sont des entreprises qui sont là pour pouvoir euh, générer des bénéfices. exactement. Et je pense qu'elles ne sont pas là pour prendre des risques. Donc, il y a une véritable cartographie de risques qu'il faudrait établir dans l'environnement des affaires au Niger. Et l'État, il cherche à voir exactement en quoi est-ce qu'il peut être plus utile pour ces jeunes entrepreneurs, d'accord, au-delà de la création de l'entreprise. Il faudrait reconnaître que la Chambre de commerce, c'est vrai, est en train de faire de son mieux et elle a fait beaucoup pour les jeunes entrepreneurs. Mais le secteur privé, à travers cette chambre de commerce, à lui seul, ne peut pas insuffler cette dynamique-là qu'on attend des jeunes entrepreneurs pour qu'ils deviennent des véritables capitaines de l'économie. Si on a vraiment besoin que les jeunes entrepreneurs que nous sommes ou le secteur privé moderne que nous représentons aujourd'hui soit véritablement cette force motrice-là, d'accord, qui fait avancer les choses, l'État doit faire plus. À travers le discours, à travers l'intervention du ministre, on sent qu'il y a vraiment une insuffisance par rapport rapport à l'appréhension que l'État doit avoir des difficultés que nous rencontrons. Rufai Kouabou, quoi, euh, votre commentaire après avoir écouté le ministre du Commerce Après avoir écouté l'intervention du, ministre, moi je pense que euh, ce qu'il a dit euh, effectivement montre les efforts qui sont en train d'être consentis. maintenant, par rapport à la situation même des jeunes entrepreneurs, parce que des fois aussi on, on, fait un peu de confusion, il y a des jeunes entreprises pas forcément porté par des jeunes, mais il y a aussi la situation des jeunes entrepreneurs. Donc pour la situation des jeunes entrepreneurs, ceux qui sortent d'école euh, et qui ont une certaine appétence à saisir des opportunités à entreprendre, je pense que le concours comme le plan d'affaires est effectivement là pour pouvoir les propulser, les mettre dans une rampe de lancement. C'est-à-dire que pour peu que tu aies une vision de là où tu veux aller, de là où tu veux amener ton entreprise sur les deux ans, trois ans, tu fais ton plan d'affaires qui matérialise ça, on te finance. Donc après, moi, j'estime que ça, c'est déjà un gros coup de pouce. Maintenant, par rapport à toutes les, difficultés qui ont été euh, identifiées par mes deux collègues, euh, je pense qu'elles sont réelles. et c'est pour cela que l'aventure entrepreneuriale au Niger ne dépend pas que de l'entrepreneur. C'est vraiment au-delà même. Aujourd'hui, j'en discute avec mes collègues euh, au niveau de l'accompagnement parce que M. Kadore a souligné l'importance d'outiller nos entrepreneurs. C'est que au-delà des outils qu'on doit mettre à leur disposition, il faut qu'on puisse vraiment avoir un plan d'accompagnement multiniveau, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement une structure qui décide de son plan. Il faudrait qu'il y ait un cadre stratégique où on va dire, voilà vraiment notre objectif, on veut amener, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'accès au marché de l'État, mais la réalité, c'est que nos, entreprises euh, n'ont pas la capacité. On, va, on va aborder ça tout à l'heure. C'est pour dire que euh, au niveau euh, de, de l'entrepreneuriat, moi, je pense que l'État fait des choses. Nous-mêmes, on fait des choses. Maintenant, c'est comment on continue encore à faire plus de choses parce que c'est vraiment un, gros défi. Et je pense que tous ensemble, si on met en tout cas les objectifs clairs, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau euh, des opportunités, l'éveil entrepreneurial, la formation. Donc euh, je pense qu'on peut arriver à, améliorer euh, la tendance. Seydou Souley comment devenir entrepreneur en étant jeune Comment devenir entrepreneur en étant jeune euh, Non, je pense que euh, ça, c'est une question très importante, mais qui nécessite beaucoup de temps. D'abord, il faut avoir la volonté. Euh, je pense que le, le, côté le plus agréable de l'entrepreneuriat, c'est que c'est une décision personnelle. Pour un individu, parce qu'on veut apporter une solution à la société, parce qu'on croit à un objectif, à une vision, on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais pour un pays, l'entrepreneuriat, c'est que c'est une voie de salut, c'est une voie de développement. Et aujourd'hui, pour des pays comme le Niger, il est établi que la solution pour qu'on euh, on arrive à faire de notre jeunesse un atout, c'est de l'amener vers l'entrepreneuriat. Donc, en fait, pourquoi toute cette question nous préoccupe C'est parce que aujourd'hui, au-delà des réformes que nous sommes en train de faire dans le cadre du doing business, parce que dans le cadre du doing business, c'est qui est bien, on fait des réformes qui améliorent le climat des affaires, mais si on reste uniquement sur les indicateurs doing business, on fait des réformes aussi parce que des bailleurs de fonds, des partenaires nous les demandent. Or, ça, ce n'est pas la meilleure façon de développer un pays. Un pays doit avoir aussi sa propre vision. Aujourd'hui, la vision du Niger qui doit être portée par notre gouvernement, par toutes les forces vives de la nation, c'est celle de construire un pays d'entrepreneurs et un pays d'entrepreneurs, pour le construire, il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur, il faut diriger en tant qu'entrepreneur, il faut décider en tant qu'entrepreneur, il faut avoir cette façon de voir. Il faut éduquer en tant qu'entrepreneur. J'ai entendu euh, quelqu'un donner cette idée-là, que par exemple sur la corruption. Bientôt, la Alcia veut inscrire dans les cursus scolaires des enseignements sur la corruption. Mais on peut bien aussi inscrire dans le programme scolaire des cours sur l'entrepreneuriat. Des notions, à l'entrepreneuriat. La renaissance culturelle devrait commencer par ça, au fond. Si nous voulons que le Nigérien d'aujourd'hui et de demain soit un Nigérien d'entrepreneur et que nous croyons sincèrement à ça. Vous voyez Bon, tout ça aussi, il faut que le débat commence pour qu'on puisse euh, arriver. Donc, pour moi, comment devenir entrepreneur à l'échelle individuelle, c'est une question de volonté, c'est une question d'ambition, c'est une question d'apporter quelque chose comme valeur ajoutée à la société. Mais à l'échelle d'un pays, c'est un pari pour produire un développement endogène. Le Niger, eh, aujourd'hui, quand on regarde, vous avez dit euh, notre 115% de notre population est constituée de jeunes. Et il est établi que le secteur public ne peut plus continuer à produire des opportunités d'emploi. Donc, en créant un secteur privé fort, ça permet à ces jeunes-là de valoriser leurs compétences, de valoriser leurs talents et d'être utiles à leur pays. Ça, c'est indéniable. Je pense que le défi, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas tous la même compréhension de cet enjeu-là lié à l'entrepreneuriat. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire aux côtés de tous les autres acteurs, hein, la Chambre de commerce, euh, les institutions patronales et certaines euh, organisations de jeunes. Nous nous disons qu'il faut qu'on travaille à vulgariser ces notions-là. Et vous me permettez peut-être de vous parler, par exemple, du euh, programme de mandature de l'ANGE. Quand nous avons été élus le 23 février dernier, le programme que nous avons présenté et que les jeunes entrepreneurs ont apprécié était constitué autour de cinq axes. Et le premier axe, on s'est dit, nous allons renforcer la cohésion de l'ANGE parce que l'ANGE aujourd'hui doit être un cadre fédérateur pour tous les jeunes qui sont porteurs de projets, qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs. Ça, c'est important. Il leur faut un cadre. Un cadre dans lequel on peut faire des débats comme ça, dans lequel on peut proposer des idées aux différentes autorités, un cadre dans lequel on peut être une force de proposition et d'action. Nous nous sommes dit aussi, il faut que nous élargissons notre champ d'action. Aujourd'hui, l'ANG est fortement présente à Niamey, elle est en train de l'être à Maradi, à Zender et dans toutes nos régions. Et nous nous sommes dit aussi, dans l'acteur, euh, dans l'écosystème où nous sommes, il y a beaucoup d'autres acteurs. Il faut qu'avec chacun de ces acteurs, nous créions un mécanisme de travail. Regardez bien, aujourd'hui le CIPMEN, ce que le CIPMEN est en train de faire, c'est formidable. Et le CIPMEN est aussi suffisamment euh, smart pour travailler avec les autres acteurs, hein, euh, avec Oasis, avec DLC, avec euh, le centre incubateur de l'université de Niamey. Et tout ça aussi, l'NGE doit être aussi un des maillons de la chaîne. Alors, le quatrième point sur lequel nous travaillons était ce qu'on venait de dire aujourd'hui, le plaidoyer que nous devons tous porter. Ce que le ministre avait dit tout à l'heure, ça nous a tous interpellés. La prochaine étape, c'est de trouver un cadre pour discuter avec le ministre. Discuter, avoir sa façon de voir, lui proposer notre façon de voir et voir comment est-ce qu'on va sortir ensemble avec quelque chose qui peut nous permettre d'avancer plus. C'était le ministre du Commerce qui a parlé, mais nous avons un ministre de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, je pense qu'à tous ces niveaux, il faut que nous ayons les cadres pour pouvoir euh, travailler ensemble. Et l'autre chose, c'est toutes les réformes doivent venir, les nouvelles réformes. Regardez, prenez un exemple. Aujourd'hui, la technologie. Euh, connaît bien les questions liées à la technologie. Toutes nos jeunes entreprises qui vont se créer se créent d'abord à partir de la technologie. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui créer une entreprise sans technologie. Mais le Niger ne produit rien en termes de technologie. Il importe. Comment on peut faire pour que, un, si on doit importer, que on facilite l'accès à la technologie aux jeunes entreprises. Comment on doit faire pour aussi importer moins Parce que nous avons des génies à l'intérieur de notre pays. Quel cadre on est en train de, donner à ces génies-là pour qu'ils puissent apporter une valeur ajoutée Mais pour qu'ils puissent apporter une valeur ajoutée, si quelqu'un veut développer un logiciel aujourd'hui ou certaines solutions, pour qu'on puisse lui garantir son développement, il faut que l'État intervienne. Vous voyez Donc il y a toutes ces questions qui sont des questions importantes. Et qui, pour résumer, pour revenir à ta question, comment devenir entrepreneur au Niger aujourd'hui, ça doit être une cause commune. Kane Habibou, y a-t-il des risques pour l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes oui, effectivement, euh, les risques ne manquent pas. J'ai parlé euh, de la cartographie des risques euh, tout à l'heure et je pense que pour euh, être efficace quand même dans sa démarche, il faudrait bien connaître son environnement. Quoi. Les risques liés à l'entrepreneuriat des jeunes se résument essentiellement à la culture d'abord que le jeune entrepreneur doit avoir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une culture. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas cette culture-là, tant que vous n'avez pas cerné de manière globale ce que veut dire l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas évoluer sans risque dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qui veut dire que les jeunes entrepreneurs, ils doivent d'abord être outillés, ils doivent d'abord être prêts, d'accord Prêts à montrer qu'ils ont des compétences, ils ont des qualifications, ils ont des qualités et ils ont saisi des opportunités. Et ils ont vu un potentiel dans l'environnement dans lequel ils veulent évoluer. Donc c'est tout ça qui définit une certaine culture, parce que c'est à partir de là que vous allez chercher à être utile d'abord pour vous-même, avant de créer cette entreprise-là. Être utile pour vous-même veut dire quoi Pouvoir vous donner un emploi. Être capable de vous donner d'abord un emploi. Créer un emploi pour vous et créer des emplois pour les autres. Et il était en train de parler de la technologie tout à l'heure. En fait, c'est un problème qui se pose aujourd'hui si vous regardez un peu à travers notre association, la plupart des jeunes entrepreneurs évoluent dans la technologie, alors qu'au Niger, il y a du potentiel, il y a des opportunités. Et à travers une bonne culture de l'entrepreneuriat, avant de commencer, si vous décidez vraiment d'être un entrepreneur durable, pérenne dans son environnement, saisissez cette opportunité-là. Voyez quel potentiel le Niger présente. Parce que l'entrepreneuriat ne se résume pas seulement à la prestation euh, de services, à des prestations intellectuelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, la démarche des jeunes entrepreneurs que nous sommes à travers notre association, c'est une démarche moderne. Ce n'est plus l'entrepreneuriat tel qu'il se présentait avant. Euh, c'était des autodidactes, c'était des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui occupaient euh, le secteur privé au Niger. Mais aujourd'hui, euh, force est de constater que la plupart des jeunes entrepreneurs que nous sommes sont des diplômés. Il y, a, il y, a, des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens supérieurs qui ont décidé de ne plus chercher du travail au niveau de l'État, mais de développer leurs compétences, d'accord, de se défendre à travers la création de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose parce que la démarche a changé et la force de frappe a changé. Tout celui qui a une certaine façon de voir les choses, d'accord, à travers une démarche intellectuelle et moderne, il peut avoir plus de facilité à pouvoir frapper fort. par exemple, si toi tu travailles euh, à la Banque mondiale et que tu veux devenir euh, entrepreneur euh, toi-même, il va falloir que tu, démissionnes. Et là, c'est un gros risque. Effectivement, je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Mais il va falloir d'abord planter le décor avant de pouvoir aller dans le vif du sujet. Je suis en train de, vous faire comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que le jeune entrepreneur doit être dans sa tête d'abord, c'est-à-dire comment il doit se comporter par rapport à son environnement. C'est pour ça que je suis en train de m'apaisantir sur la question de la culture entrepreneuriale. Parce que tant que la personne n'a pas cette culture entrepreneuriale-là, quelles que soient ses compétences, on a vu des jeunes entrepreneurs qui sont excellents, qui ont un bon niveau à l'école, qui ont des très bons diplômes, mais quand ils arrivent dans l'environnement des affaires tant qu'ils n'ont pas la connaissance de cet environnement-là et ils n'ont pas cette culture entrepreneuriale-là. Ça devient très difficile pour eux de réussir. Parce que, bon, aujourd'hui, moi, ça fait 11 ans que je suis jeune entrepreneur. Ce qui veut dire que je dois maîtriser plus ou moins les tenants et les aboutissants liés à la croissance euh, euh, des jeunes entreprises ici au Niger. Les risques ça, j'ai parlé de la cartographie des risques. C'est vrai que les risques sont énormes. Tout celui qui va laisser, si vous voulez que je revienne sur ce sujet-là, tout celui qui va laisser son emploi, d'accord, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qui est évident la première des choses qu'il doit afficher dans sa démarche, je prends des risques. Parce qu'il ne sait pas s'il va réussir ou pas. Comme le ministre l'a dit, pour lui, la réussite de l'entreprise se limite essentiellement aux efforts que le jeune entrepreneur doit faire. Non, mais il y d'autres facteurs que vous ne pouvez pas maîtriser, des facteurs liés, comme je l'ai dit, j'insiste, à l'environnement des affaires, les facteurs liés au comportement du consommateur, les facteurs liés à la concurrence, les facteurs liés à beaucoup de choses d'ordre social que on ne peut pas développer tous ici parce qu'il faudrait raccourcir, il faudrait résumer les choses. Donc ça, c'est pour celui qui laisse son emploi pour se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, si vous regardez, nous, à notre niveau, ce ne sont même pas des jeunes qui laissent leur emploi, mais c'est plutôt des jeunes diplômés. Une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail, ils n'arrivent pas à dénicher un emploi. Et donc, du coup, ils ont cette envie, ils ont cette sensation-là parce qu'ils ont vu des modèles de réussite ils ont vu des jeunes qui ont essayé et qui ont réussi. Et donc, du coup, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils cherchent à développer les compétences qu'ils ont, les qualifications qu'ils ont pour être utiles à eux et être utiles à la société. Et je pense que c'est eux qui prennent beaucoup plus de risques que ceux qui ont déjà fait un plan de carrière, un parcours quelque part. Parce qu'eux, ils commencent directement, d'accord, à être managers, à être leader parce que c'est ça. Il ne faudrait pas euh, occulter cet aspect-là. C'est-à-dire pour être un bon entrepreneur, il faut avoir des qualités managériales. Il faut être un bon leader parce que vous serez appelé à, à gérer des hommes. Vous serez appelé à gérer des situations, vous serez appelé à gérer des cas très compliqués. Ce qui veut dire que vous devez être prêt, d'accord à être un bon chef, celui qui arrive vraiment à inspirer les autres, celui qui arrive à amener les autres à atteindre des objectifs ensemble. Donc, les risques sont énormes. mais essentiellement, comme le président a eu à le dire dès le début, c'est la volonté. Si vous avez de la volonté, vous pouvez y arriver. Si vous trouvez un environnement favorable, vous pouvez trouver des opportunités. Si vous arrivez à vous mettre à jour, à vivre avec les événements, à être au top. Parce que c'est ça la difficulté aujourd'hui que nous rencontrons. Avec la technologie, avec euh, le développement numérique, on est obligé de suivre la cadence on est obligé de suivre la cadence, ce qui veut dire que des mises à jour, d'accord, chez les jeunes entrepreneurs sont obligatoires pour être vraiment au top et rester compétitifs sur le marché. Rufoy Kwabo, les jeunes entrepreneurs nigériens ont-ils la capacité nécessaire pour exécuter ou réaliser des marchés Waouh! Euh, donc, euh, c'est une grosse question. Euh, effectivement, nous avons déjà vu des cas où nous mettons en relation des entrepreneurs avec des services de l'État ou d'autres institutions qui, à la fin, euh, reviennent dessus et nous disent eh ben, votre jeune là, on lui a donné l'opportunité, mais il n'a pas pu livrer. Et à chaque fois maintenant, quand on lui envoie un message, il répond même plus. Donc, ce n'est pas la généralité, fort heureusement. Mais je me dis qu'un cadre là aussi doit être bien, bien mis en place. Parce que le problème de la capacité, il est multiforme on n'a pas la capacité parfois parce qu'on s'aventure dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que être CEO de quelque chose ou être une entreprise, je ne sais pas, de technologie, machin, tout ça, sur le papier, sur la carte de visite, tout le monde peut être euh, expert, euh, transformation digitale, tout ça. Donc, avec ça, les gens partent soumissionnés à des marchés qui n'ont pas la capacité d'exécuter. Donc, il faudrait qu'il y ait un cadre formel dans lequel on puisse, par des méthodes de scoring, qu'on puisse vraiment associer. Euh, c'est-à-dire que si, l'État a un gros projet, ou bien si une, grande entreprise a un gros projet d'envergure, n'est-ce pas Nous sommes conscients que euh, nos jeunes entreprises n'ont pas toujours la capacité. Il y en a qui les ont. Elles ne sont pas nombreuses, certes, mais il faudrait qu'on puisse créer un cadre dans lequel on dit, pour des marchés d'une certaine taille, qu'on associe qu'on associe en tout cas à l'exécution. Ça peut être, euh, on veut déployer une solution technologique. Mhm. Euh, on fait des consortiums. On fait des consortiums et on demande à ce qu'une start-up soit associée à ce marché. Ça lui permet d'acquérir de la compétence et d'acquérir de la capacité avec des moyens financiers connus à l'avance. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on demande à nos startups de faire du miracle en étant payés avec des lance-pierres, alors que pour des institutions et des cabinets internationaux qui interviennent, on parle en milliards. Par exemple, si une, une grande entreprise vient ou un cabinet international, quand il exécute des marchés, parfois de plusieurs milliards de francs CFA, lui, il vient, il fait son planning, il dit ce projet-là, c'est un projet de six mois. Je mets 20 personnes, en six mois, j'ai délivré le projet. Maintenant, une fois qu'il vient et qu'il délivre le projet, souvent c'est à l'État, mais à la fin des six mois, toute modification qu'on lui demande, c'est un avenant. un million d'euros, un million 500 mille, deux millions d'euros. Alors que avec ces deux millions d'euros-là, une dizaine de start-up ou même, euh, je veux dire, 5 up peuvent euh, vivre avec ces moyens-là pendant trois ans. Et après, elles auront déjà euh, acquéri les compétences nécessaires. La prochaine fois, quand il y a un appel, c'est elles-mêmes qui vont peut-être postuler et gagner. Maintenant, le problème de capacité aussi, comme l'a souligné tout à l'heure Seydou, c'est aussi les ressources humaines. C'est quoi le, problème qu'on voit avec les startups C'est que nous avons souvent des super CEO. Qu'est-ce que j'appelle des, super DG euh, C'est en anglais en fait. C'est Chief Executive patron, Officer. c'est ça. Donc on fait une carte de visite, on dit je suis DG de machin. Euh. Donc c'est vraiment, on t'appelle DG. Mais à la fin, tu te retrouves à faire les RH, la gestion financière, la gestion commerciale, tu te retrouves à faire de la technique. À la fin, on se retrouve avec des entreprises qui ne créent pas d'emplois et qui prennent le risque de disparaître. Parce que derrière, le fait de, de mettre des gens, certes, tu vas les payer, mais dis-toi quel est le bénéfice. Même si tu prends que 1000 francs de bénéfice à la fin, si tu arrives à faire travailler 5 personnes, déjà, ça veut dire que tu as atteint un stade pour ton entreprise et que derrière, avec l'apport de ces personnes-là, vous allez pouvoir faire des grandes choses. Oui, j'ai quelque chose, c'est juste un exemple euh, illustratif d'accord, euh, qui illustre vraiment ce qu'il vient de dire là par rapport euh, à la capacité de nos entreprises à pouvoir exécuter des marchés. Par exemple, moi je suis du domaine du bâtiment et je suis architecte. Vous n'êtes pas sans savoir que Niamey est en chantier, c'est-à-dire on ne voit que des immeubles qui poussent un peu partout. Euh, Aujourd'hui, si vous regardez tous ces immeubles-là, d'accord, qui rentrent directement dans le cadre du programme de la Renaissance et également euh, de la préparation de lui à 2019 là, mm-hmm. c'est-à-dire il y a pratiquement aucun architecte nigérien qui est associé dans l'élaboration de ces grands projets-là. C'est vraiment déplorable. Pourquoi j'appelle ça un exemple illustratif Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est-à-dire, euh, nous sommes tous des architectes. D'accord On a tous fait des formations, d'accord, qui sont utiles. Les capacités ne manquent pas. Mais c'est-à-dire qu'est-ce que nous, nous ne trouvons pas ici C'est le plateau pour pouvoir mettre en épreuve ces capacités-là. Et comment pouvoir mettre en épreuve ces capacités C'est à travers ces projets-là. Aujourd'hui, si on avait associé d'accord, les architectes nigériens à travers l'élaboration de ces grands projets-là, un, deux, trois projets, un seul projet, même une seule opération, peut vous donner les capacités nécessaires pour faire face à, d'autres éventuels grands projets. Mais malheureusement, ça je vous le confirme, il n'y a pas des architectes nigériens. Et je vous dis, là où c'est déplorable, d'autant plus, c'est-à-dire euh, au niveau euh, des architectes, à 100%, les jeunes architectes qui viennent sur le marché du travail, dans l'environnement des affaires, ils ne vont pas de l'administration publique. Ils créent des cabinets d'architecture qui sont là et des cabinets d'architecture qui sont capables de pouvoir créer une architecture qui a un lien direct avec nos valeurs socioculturelles et non une architecture importée. Mais malheureusement, nous ne sommes pas particulièrement associés. Ce qui veut dire que vraiment cette confiance-là que les jeunes entrepreneurs, d'accord, de manière générale, doivent mériter de la part de nos autorités n'y est pas. Il est important, même si nous sommes jeunes, même si nous sommes des jeunes entreprises, quand même qu'on place une certaine confiance en nous afin de nous permettre de mettre en épreuve nos capacités. C'est du Mahmoud, rapidement. Oui, très rapidement. En fait, c'est encore pour confirmer exactement ce qui a été dit par euh, Roufaï et par euh, Kadoé. Vous savez, c'est pour ça que la réponse du ministre est vraiment à analyser et il faut des discussions. On a un grand souci, problème au Niger qui est un problème de mentalité. La préférence nationale, ça c'est quelque chose sur la base duquel tous les pays au monde se sont développés. Le Niger est l'un des rares pays où le Nigérien est fier de voir quelqu'un venir du bout du monde ramasser énormément de fortune s'en aller que de voir un Nigérien réussir. Je n'indexe pas X ou Y, mais culturellement, on a développé cet art-là. Et on ne peut pas créer des champions et des entreprises à succès tant qu'on continue à penser comme ça. C'est ce que Kada aurait dit. Les architectes, ou dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, si vous donnez un marché de 1 milliard d'euros à un architecte nigérien, ce qui va se passer, c'est qu'il aura tellement de capacités que la prochaine fois, il peut aller compétir à l'échelle internationale. Il va amener des devises au Niger. Il va devenir un champion pour le Niger. Donc vous n'avez pas investi en un individu, vous avez investi dans le succès du Niger. Il y a, si vous vous souvenez, en novembre 2018, le 29 novembre exactement, nous avons lancé la campagne Consommons nigérien. On en a fait même un forum. Voilà. Moi, je faisais partie des gens qui ont eu l'opportunité d'être dans le comité qui a travaillé sur ça. J'ai été impressionné à l'époque par, c'est la première dame qui avait dirigé les travaux Malika, par son enthousiasme, par son énergie. Et on a discuté ouvertement de tous ces problèmes-là avec des ministres qui étaient là, en disant la réalité, c'est que nous ne pouvons pas nous développer quand nous continuons à enrichir les autres au détriment de nos nationaux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même au, au sommet, nos décideurs n'ont pas totalement intégré ça. Et c'est pour cela que toutes les problématiques dont on parle là, quand vous voulez intégrer tout ça là et développer l'entrepreneuriat, c'est que vous investissez dans ce qui est national. On n'est pas en train de dire de développer un chauvinisme où on est euh, euh, euh, tout sauf nigérien, bah, bah, nigérien seulement, mais chaque pays se bat pour se développer. Et dans notre stratégie de développement, on doit savoir que c'est nos compétences internes qui doivent nous développer. Donc, il faut que on fasse ça. Et c'est exactement, je pense, les vrais débats vers lesquels nous, nous voulons que tous les acteurs se mettent et qu'on développe une conviction autour de ça. Ce n'est pas seulement un effet de mode, c'est une conviction. Urfay et comment faire pour capitaliser euh, toutes euh, ces expériences acquises dans le domaine de l'entrepreneuriat oui, donc euh, comment faire pour capitaliser euh, Moi, je pense que déjà, il faut diffuser les bonnes pratiques, il faut diffuser des retours d'expérience. Là, effectivement, nous avons des, jeunes, nous avons des membres de la diaspora qui ont acquis une certaine expertise, une certaine manière de voir les choses euh, donc de l'étranger. Dès qu'ils peuvent donner de leur temps, il faut qu'ils viennent. Genre, ça va être vraiment un travail continu. Il faut qui est cet échange-là. Il faut qu'il y ait un cadre d'échange. Et aussi, l'autre problématique, c'est de ne pas se limiter à Niamey. Il faut vraiment diffuser l'information à travers les régions. Et ça, c'est la technologie qui nous permettra de le faire, parce qu'on sait bien évidemment l'état de nos routes aujourd'hui ne permet pas à un expert qui a que deux heures de pouvoir faire l'aller-retour pour juste intervenir deux heures à Agadez. Euh, donc, euh, il faudrait qu'on puisse trouver des moyens pour pouvoir diffuser donc euh, cette expertise-là, cette connaissance. Et maintenant, capitaliser, c'est aussi continuer à faire malgré l'écosystème. C'est-à-dire que derrière l'innovation, pour moi, au Niger, c'est déjà de créer une entreprise qui survit. C'est pas forcément avoir euh, du numérique ou, en tout cas voilà. Donc si j'ai des jeunes aujourd'hui à Ottawa, ils sont munis d'handicap, mais ils créent jusqu'à 7 emplois. Imaginez si euh, les autres aussi se mettaient à faire ça. Donc aujourd'hui, on accompagne, pas forcément de l'innovation, on accompagne des jeunes qui sont dans la menuiserie métallique. Et demain, mon ambition, c'est qu'on puisse accompagner aussi le paysan. Parce que le véritable entrepreneur, celui qui a toujours entrepris, c'est le paysan. Mais aujourd'hui, le seul, il leur manque juste des outillages parce que on leur a inculqué une certaine dépendance au projet. Alors que normalement, les projets, c'est comme des fonds d'amorçage. Ils doivent normalement intégrer des calculs de retour sur l'investissement pour pouvoir mettre de côté pour les prochaines récoltes, mettre de côté pour euh, les subsistances et pas seulement déverser euh, leur production. Dès qu'ils produisent, ils vendent tout sans calcul. Donc là, aujourd'hui, vraiment, on veut travailler pour pouvoir euh, monter en tout cas des champions qui vont pouvoir exporter des produits nigériens. Et du coup, ces champions-là vont pouvoir absorber les productions locales. Donc, euh, vraiment, nous allons mettre en place euh, ce qu'on appelle un programme d'incubation export. Donc, nous, pensons vraiment avec les produits nigériens, on veut pouvoir les labelliser pour l'export pour renforcer aussi leur crédibilité en interne. Seydou Souley rapidement, comment faire euh, pour que le Niger puisse tirer un grand profit de vos projets et vos expériences Alors, comment faire C'est de créer le mécanisme pour que l'entrepreneuriat devienne véritablement une priorité nationale une cause nationale, un outil de développement, et de faire en sorte que les réformes que nous faisons ne soient pas seulement des réformes pour plaire aux bailleurs de fonds, pour plaire à la Banque mondiale. Non, c'est des réformes pour le Niger. Et ce qui est bien, même la Banque mondiale l'a dit une fois. Moi, je me souviens, le représentant résident de la Banque mondiale de l'époque a dit, ben, écoutez, ce que le Niger fait comme réforme, c'est pour le Niger. Nous, la Banque mondiale, on est là pour accompagner. Il faut que tous les Nigériens intègrent ça. Il faudrait que on ait des ambitions, qu'on soit très ambitieux. Honnêtement, moi, je pense que le Niger est un pays d'opportunités, c'est un pays de possibilités. Parce que, certes, nous avons acquis beaucoup de retard sur certains plans, mais ce retard-là montre aussi que on a des zones à exploiter. Donc, nous devrons tous agir de telle sorte que crée, on facilite la création d'entreprises et le développement des entreprises. Comme disait Rufa, il ne faut pas que l'entrepreneuriat soit un acte héroïque. Aujourd'hui, réussir dans l'entrepreneuriat, très franchement, est un acte héroïque. C'est-à-dire que si vous avez 100 entrepreneurs au départ, peut-être que vous allez avoir à l'arrivée un succès. Mais ça ne doit pas être le cas. Il faudrait que notre ambition nous amène à créer les conditions pour que tout Nigérien qui a vraiment la volonté de créer quelque chose, qu'il arrive à réussir dans la limite de ses compétences. Kane Kadaoura Habibou, rapidement, comment amener les autorités nigériennes à avoir plus confiance à la jeunesse <laughs> Bon, je pense que euh, la question de la confiance, elle doit se mériter d'abord. C'est vrai que euh, en tant que jeune entrepreneur, nous devons faire, des démonstrations de force, des démonstrations de capacité à révolutionner les choses. D'accord C'est vrai que, en substance, hein, ce que le ministre a eu à dire, je reviens là-dessus, d'accord Ça peut éventuellement être interprété, hein, c'est-à-dire d'une autre manière. Parce que c'est quoi Si vous entendez que euh, une autorité dire que le succès vient de vous, d'accord Cela veut dire que vous devez mériter une certaine confiance au niveau de ces autorités-là en montrant une certaine capacité de pouvoir exister d'abord en tant qu'entrepreneur. Et je pense que euh, le problème, là où il se trouve, euh, vous l'avez évoqué, on n'a pas trop parlé de ça, c'est le problème de financement. Aujourd'hui, ce ne sont pas des idées meilleures qui manquent. Ce ne sont pas des projets solvables qui manquent. Ce n'est pas la volonté au niveau des jeunes qui manque. n'est pas le, le, manque de la maîtrise de l'entrepreneuriat. Les jeunes sont outillés dans ce sens. Ils comprennent ce que ça veut dire et ils sont prêts à rester dans l'entrepreneuriat. Mais le véritable blocage, il faut dire que c'est le financement. Et je pense qu'une fois que le financement y est, les jeunes entrepreneurs tels que moi je les connais ils seront capables de pouvoir être des vrais capitaines de l'économie et très facilement, ils peuvent vraiment mériter de la confiance des autorités. Mais pour encore mériter cette confiance, non, oui, oui, oui, bon, je pense que nous, nous, nous, à notre niveau, euh, Monsieur le Président, vous n'allez pas dire le contraire, vu quand même tous les programmes de réforme qui ont été engagés, vu un ministère de l'entrepreneuriat qui a été créé, un, qui n'a pas moi, je ne reviens pas là-dessus. Le budget, c'est une autre question. Vous pouvez manquer de budget en tant que ministère, mais s'il y a vraiment des véritables politiques, s'il y a vraiment une certaine synergie qui est créée autour de la cause, on peut faire changer les choses. Ce n'est pas que le, le budget. Donc moi je pense qu'à notre niveau, on a confiance en nos autorités parce que les réformes sont là, d'accord Mais comment pouvoir mériter cette confiance-là de la part des jeunes entrepreneurs hein, et continuer à la garder, c'est faire en sorte que tout ce qui constitue les véritables goulots de tranglement qui empêchent la croissance des jeunes entreprises soit vraiment dégagé et que les entrepreneurs méritent davantage la confiance des autorités. En tout cas, c'est notre projet, c'est notre souhait et on aimerait bien rester utile, d'accord, pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, le rêve de la majorité des jeunes diplômés ou scolaires nigériens est d'intégrer la fonction publique. L'État, qui est le principal employeur de la plupart des pays en développement, euh, dont le Niger ne dispose pas assez de moyens pour recruter tout le monde. C'est pourquoi nos invités demandent au pouvoir public de s'investir pleinement pour faire de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes une réalité au Niger. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Seydou Souley Mahamadou, président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, Kane Kadawra Habibou, président d'honneur de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, et Rufai Kwabo, directeur général du centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, SIPMEN. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 30 radio Radio partenaires. Merci, au revoir.